jërë ngeen jëf euh, mbokki Dakar Actu lu yëngu ne ko yëngal ko doole clinique bi mom moy clinique bi ngeen doon dégg ci presse bi ñu naan dafa am ka ba ñu tëj ko indi na nag euh, coow lu rëy fi nga xamanteni ne nii moom ci biir Mbuur ka am na fi wala amu fi naka la demee loolu bu ci biir lañ koy xam kon ñu dem ci biir. Relativement à des informations circulant depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux faisant état de la fermeture d'un établissement sanitaire à Mbour suite à la mise en quarantaine de ses employés, la direction de la clinique Bilbassi s'inscrit en faux par rapport à de telles allégations et tient à apporter un certain nombre de précisions. En effet, notre clinique a reçu le jeudi 19 mars une dame revenue de France depuis quatre jours. Dès sa présentation à la clinique, notre dispositif de sécurité mis en place à l'entrée a décelé, détecté une anomalie concernant sa température corporelle. Nos équipes l'ont rapidement isolé et contacté les services compétents pour procéder au prélèvement et analyse requis. Les membres du personnel qui ont pu être en contact avec elle, avec cette patiente, avaient pris toutes les dispositions sécuritaires, notamment le port des masques, les gants et des combinaisons adaptées. Depuis cette date, la clinique continue ses activités normalement, comme d'habitude, à savoir les consultations ainsi que les hospitalisations. Par conséquent, notre clinique n'a jamais été fermée. J'insiste encore, notre clinique n'a jamais été fermée, ni son personnel mis en quarantaine. Nous invitons nos partenaires de la presse, dans ce contexte, de crise sanitaire majeure de redoubler de rigueur en procédant au recoupement nécessaire afin de livrer la bonne information au public. Je vous remercie. Si nous avons tenu à vous rencontrer, à remettre, ramener vraiment la vérité, c'est qu'il y a eu des conséquences vraiment néfastes pour le fonctionnement de notre clinique. Parce que les rumeurs ont circulé rapidement et les nouvelles euh, sont parties vite et depuis lors, depuis lors, nos téléphones ne cessent de sonner parce que tous nos patients et nos amis, nos parents ne cessent d'appeler pour dire que votre clinique est fermée. Et même certains patients vont dans les pharmacies pour demander est-ce que la clinique est fermée ou n'est pas fermée. Pour eux, il y a un patient porteur d'un coronavirus dans la clinique, et que la clinique est fermée et que tout le personnel est en quarantaine. Les recettes ont malheureusement dégringolé parce qu'on n'a on pas vu de patients. Parce que nous, nous sommes une structure privée et nous, nous recevons des malades et qui, payent des tickets. Et bon, c'est en, en, fonction de ça que nous faisons nos recettes. Si voit, si on ne voit pas de malades, je vous donne un exemple parce que lundi, euh, habituellement, notre clinique, de, Alhamdulillah, ne, ne désemplit pas les lundis. Oh, on travaillait jusqu'à 3 h 15 h 16 h avant de prendre la pause. Et l'après-midi, on continuait à travailler habituellement jusqu'à 20 h Mais lundi, l'après-midi, par exemple, il n'y a aucun patient ici à la clinique. Et le matin, on a vu que quelques cas. 8 au total. Moi, personnellement, nous sommes une équipe, euh, vraiment une équipe, euh, une grande équipe. Nous avons un médecin généraliste qui est à côté de moi, Dr Son, moi, je suis pédiatre, on a une autre collègue aussi pédiatre. Habituellement, moi, personnellement, je peux dire que je vois en moyenne euh, jusqu'à 30 patients par jour. Et ce jour-là, je n'ai vu que 6 à 7 patients. Et beaucoup de gens qui devaient venir au rendez-vous, au téléphone, avant de venir, pour dire qu'il y en a qui ne sont pas venus, il y en a qui ont téléphoné pour voir qu'on a entendu que votre clinique est fermée et que vous êtes en quarantaine. L'appel euh, qu'on fait à la population, à nos patients, à nos amis, à nos partenaires, vraiment, que nous, la clinique fonctionne comme d'habitude. Nous, clinique fermé et personnel bi et on les exhorte de revenir et euh, on est là prêt comme d'habitude à euh, dimbali Tissen, ci euh, non la clinique a été désinfectée bien sûr parce que oh, comme je vous ai dit une de cette patiente a été isolée là où elle a été isolée et il s'agit d'une salle excentrée qui n'est même pas qui est vraiment excentrée de la clinique et cette salle a été désinfectée par le service d'hygiène et c'est ce qui est normal et d'ailleurs ils ne sont pas limités à la salle seulement presque toute la clinique a été désinfectée. Mais je vous assure qu'il n'y a qu'une seule salle qui a été concernée par ce patient. Non, j'avoue, pour vous dire la vérité, cette, dame a été prélevée ici par la cellule d'alerte. Mais elle est rentrée chez elle après le prélèvement. On a eu juste à lui prescrire des médicaments pour la soulager de, ses symptômes. Elle est rentrée chez elle et elle a eu ses résultats chez elle elle a été malheureusement positive, bon, mais elle a été bien prise en charge. elle est actuellement en bonne santé, enfin, l'évolution est très favorable. Elle est à Dakar. Euh, effectivement, nous, malade, nous, sommes fille. C'est une dame âgée de 60 ans. elle est revenue de Paris. Par exemple, nous, heureusement, le matin, nous avons fait une rencontre finie au sein de la clinique, nous avons un briefing, que, à bien une nouvelle mesure nous pour, par rapport à cette épidémie avec parmi ces mesures il y en avait comme am benn dispositif def à l'entrée de la clinique avant malade bi dugg comme ça di lay jël sa température foofu am benn questionnaire bu ñu yor boo xam poser quelques questions se répondre par rapport à ces questions s'il y a une soupçon une soupçon autant pour moi dans ce cas ñun dañ may avertir man je suis médecin généraliste eux c'est des pédiatres man c'était un adulte donc dans ce cas ma lañ avertir une fois que ñi avons ci bunt bi jël température mu yéeg bu ma et porter mon équipement, on a un équipement complet ici, équipement de protection individuelle qu'on a que la cellule d'alerte A avec mes masques et gants mon D'après d'après question que ko posé ma suis cas suspect comme cas suspect donc on avait déjà prévu une salle d'isolement qui est hors de la clinique je l'ai isolé avec mon équipement dans ce cas je rek pas eu contact alors que j'avais porté mon équipement de protection du coup buñ ko isolé explique le fait qu'elle a été isolée pour c'était un cas suspect dañu avertir série d'alerte bi avec au niveau du district sanitaire ils ont sont venus pour faire le prélèvement effectivement on l'a laissé rentrer Bah na ko mu ñibbi ndax lan moo tax ñu bàyyi ko mu ñibbi ndax moom dafa voiture personnelle am ak doomam bi ko indi accompagné dans ce cas on sait que suy ñibbi du jël ay taxi pour voir ñeneen ci yoon bi nous bàyyi ko expliquer clairement en même temps expliquer son fils qu'il s'agit d'un cas contact ndax dañ ni ko maire bi positif comme négatif mais on suppose on suppose que ça mën positif comme yow on se considère comme cas contact donc yow tamit dit demee da ngeen bàyyi xel kenn dugg ci kër kenn du génn ba résultat effectivement contact su infini, man la j'avais porté mon équipement complet du coup les résultat sont positifs, dafa j'étais toujours en contact direct avec leur famille dans la chaîne état d'évolution clinique il y avait une bonne amélioration bon il après il prélevé. ko après jël ko yóbbu ko pour son suivi donc présentement on a un démb te tane na bu Ça c'est-à-dire wax c'est un cas contact nous bu mu nekkal ci famille bi c'est des cas contact. ils ont été prélevés am na ñu positif am négatif même son fils qui l'accompagnait dans sa voiture il est revenu négatif j'avais porté mon équipement, bien vrai que j'avais porté mon équipement, mais j'ai pris la précaution de faire le, euh, prélèvement. Et moi, le prélèvement, je l'ai prélevé. Le prélèvement, j'ai resté deux jours chez moi. Man, bon, normal qu'on def ça, mais je ne par précaution. les bu dee saa les ça c'est résultats négatif non négatif. donc accueil kenn accueillir ko ndax un naan à distance légère la température tout simplement mu averti moom avertir man médecin généraliste